kàddu yu gàtt lay doon di jiital nag di wax alhamdulilahi rabbil alamin di wax ne ñu ko doon xaar lu yàgg waaye nag di sant yàlla bu baax bi nga xamante ni ñëw na bañ tàmbali liggéey di ñaan yàlla rek yàlla nañ ko àggale ci jàmm te ñun ñëpp ñu fekk maa ngi doon nuyu itam nag ci sama waaye ci turu conseil municipal bu Sam Yabal ak ci turu commune bu Sam Yabal yëpp ñu ma ko xamal rek euh, damay bàyyi nag maire sama xarit maire de Thiamène moom mu àggale xanaa di ñaan yàlla rek ni nga ko tàmbalee bisimilah yàlla nañ ko àggale alhamdulilah rabbil alamin ñun ñëpp ñu fekkee population bi tax yi dafa tam bu fekkee ñu mu dem ba ni mu ab piste ab rang-rang mu dem ba ab xam dañ ko ñu wa wa barakatuh. monsieur le ministre monsieur le gouverneur de la région de Louga madame le préfet du département de Louga Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Coquille, Monsieur le président du conseil départemental, le conseil d'école territoriale, Monsieur le représentant du conseil économique et social et environnemental, Mesdames, Monsieur le maire, Mesdames, Monsieur le chef de service technique, Mesdames, Messieurs, les représentants du projet de partenaires technique et financiers, euh, Mesdames, Messieurs, honorables invités, euh, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction de la piste de production Tchamen Dans le cadre du projet de, de, désenclavement des zones de production en appui du programme national du développement local, PND. la commune de tiamen euh, Kayor reste fière du choix porté sur la commune pour l'organisation de la journée de lancement qui réunit l'ensemble des acteurs et parties prenantes. Cet événement, cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris son Excellence Monsieur euh, le Président de la République Macky et son action à la magistrature, suprême à travers la territorialisation des politiques publiques, un des points saillants du plan Sénégal émergent. Ce projet qui consiste à réaliser cette piste de 38 km liant la commune de Kiamen et celle de Samyela vise à désenclaver la zone afin de permettre la mobilisation des personnes et des biens, de faciliter l'accès aux services sociaux de base et l'accès au marché de production. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous remercier davantage, d'avance pour votre disponibilité, pour votre disponibilité et celle de vos services, de vos collaborateurs ici présents, pour cette écoute attentive à nos égards. En effet, Monsieur le ministre, par contrainte de temps, nous avons qu'il vous est difficile de vous déplacer euh, tous les temps, tous les ans, chose qui se comprend parfaitement. Il est important pour nous, en tant qu'élus, de saisir cette occasion pour exposer au gouvernement dont vous êtes le porte-parole les attentes des populations qui nous ont donné leur confiance. Ainsi, le ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires des territoires dont vous avez la charge ne peut être aujourd'hui que le meilleur porte-parole de notre collectivité, plus ou moins éloigné de la capitale, mais qui regorge d'énormes potentiels. C'est sur cette attente que euh, je souhaiterais aussi mes propos. Euh, monsieur le ministre, je sais qu'une bonne partie de ces attentes sont en cours d'examen au sein de vos services, je souhaiterais en reprendre quelques-unes quelques avec vous. La question de l'emploi des jeunes et des femmes constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs. cependant, nous notons que le projet des est évolue à son heure pour l'accompagnement des activités chaînes de valeur dans le secteur porteur tel que l'agriculture et l'élevage. Nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant du concert, que nous, atteindrons nos objectifs fondamentaux. À ce sens, je constate qu'un partenariat avec le Fonds d'entretien routier autonome, autonome c'est une piste de solution pour l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi. Si ce, la signature d'une convention, entre le ministère et celle du ministre des Infrastructures reste nécessaire l'approche du programme territorial adoptée par le gouvernement du Sénégal pour l'atténuation de la concentration urbaine ne peut aboutir que lorsque les collectivités territoriales se dotent d'outils de planification. Sur ce, Monsieur le ministre, la commune de Tchamenker, avec l'appui de l'ARD, dispose d'un plan triennal d'investissement 2021-2023 et sollicite auprès de vous un appui pour l'élaboration du plan communal d'investissement PIC qui est beaucoup plus adapté au processus de développement durable. parmi les acquis, Monsieur le ministre, la commune de qui est reconnue comme étant l'année du parti au temps de Tekalgor, témoigne par le président de la République lui-même de passer résultats électoraux de 2009 sur 46 n'a toujours pas enregistré d'importantes réalisations, point de vue infrastructurel concernant la, réalisation de l'axe Tchamel Sangerol, le mal d'une partie de cette piste traversant le centre de la Toni qui constitue déjà un acquis à réaliser. Selon l'avis des autorités dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route départementale d'Ara-Warak-Louga, reste insuffisant. Si l'on considère le réseau routier de Tiamen, ce euh, euh, euh, centre, est centre à 15 km. Afin de conclure mon discours certainement trop long, je tenais à vous remercier, Monsieur le ministre, pour votre combat personnel dans le cadre du PNL, pour votre résolution à défendre le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, et plus particulièrement votre engagement auprès des territoires pour euh, une mise en œuvre effective du plan Sénégal émergent. Je tenais, si vous le permettez, si vous me le permettez, d'adresser notre sincère reconnaissance pour la continuation du PDZ Pendel, aux partenaires techniques et financiers d'avoir apporté cette attention si particulière à l'égard de notre commune. C'est dans ce même esprit que je remercie aussi les services de l'administration, l'agent régional de développement pour l'accompagnement harmonieux et partagé de notre intégration régionale. Merci de votre attention. Le ministre délégué ak le gouverneur de la région de Louga et madame le préfet du département de Louga ak le sous-préfet de l'arrondissement le Kossy ak honorable député yi nga xam ne teew nañ ak le président conseil départemental ak le représentant du haut conseil collectif territorial ak ki nga xam ne moo fi nekkal conseil économique et euh, leen xamal ne aussi di sant maire yi fi dajee surtout maire Sandiabel en passant par le maire de Sandiabel di sant les chefs de service technique

wax dëgg yàlla mi ngi liggéey ci liggéey boo xam ne bi ñun lii ñu commencé wax naa ko ci njëlbeen tey am na impact ndax boo xoolee tey booy dem Sam Yawal doo am problème booy dem Touba doo am problème désenclavement boobu mooy mën a vraiment am na impact population kon donc ñu sant monsieur le ministre ñi nga xam ne tey mooy ministre tutelle bi mooy suñu kilifa yàlla doxali vraiment mu ñu jaar jaaree ko si moom bu lii am yàlla la yàlla gën a jàppale gis nañ sa taxawaay gis nañ sa liggéey nga santal ñu président la république sa chef de service yi aussi ñu ngi def li ñu a def ci zone bi vraiment ku ci nekk yaa ngi taxaw ci li nga war a def gis nañ ci suñu bopp bu baax di sant vraiment population Thiamène tey li soxlawoon nañ ko bu yàgg sànq maa ngi wax euh, am nañ am na cinq projets yoo xam ne tey biñ ko programme jël nañ leen pour que piste bi ñoom ñu ma leen jàppale mooy chaîne de valeur boo xam ne bii éleveurs yi dañ ci gis seen bopp sàmmkat yi dañ ci gis seen bopp béykat yi dañ ci seen bopp ak ñi nga xam ne tey ñuy sàmm kon donc loolu avantage bi tey dana tax suñu tamati dootu am benn jafe-jafe loolu moo waral vraiment ñun ñu ngi sant président de la république di la xamal ne nag moom monsieur le ministre ci defar deux mille neuf ci def defal moom comme li ma la waxee ci ñu gagné vingt neuf conseil ne caagan mooy taaw kon nga fàttali ko Prawa gis kat avancement bi gis nañ ne teraanga jooju ci yoon la jógee yàlla na gën a yokk ba liñ ci bëgg ñu am soxla yu bëri nañ ndax tey commerce de centre taw yi leneen ngi nii leneen ngi nii mais loolu dinañ ko tënk ci place ah jëppal la ko pour wane ne doléance boobu bokkul ci li nga xam ne tey moom moo ñu fi tax a dajale mais am nañ ay bëgg-bëgg yoo xam ne vraiment population ñu ngi koy réclame kon maa ngi leen di sant leen gërëm di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm te it yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm te gis ngeen ne caamen ñëpp bu baax rek lañ bëgg ñëpp boo gisee ñuy wax rek lañ bëgg kon ñu bàyyi xel Thiamène président de la République Thiamène am la moom la njëkk a gagné kon maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah le ministre des collectivités de l'aménagement madame le préfet Monsieur le sous Monsieur le secrétaire exécutif, Monsieur le directeur de la Monsieur le maire de Monsieur le ah. représentant de l'entreprise, Monsieur le représentant de l'entreprise Satracom, Mesdames et Messieurs, salue aussi le maire de Koki, nouvellement élu, Madame Koumbadiaï. Monsieur le ministre, je me réjouis de prendre part à la visite de chantier que vous effectuez dans le département de Louga, précisément ici à itamen Kayor, dans le cadre du suivi de l'exécution du projet de développement des zones. En effet, ce programme régional de 166 km pour un montant global de 3 milliards 780 millions 857 francs TTC prévoit dans la réalisation de 72 km dans le département de Louga sur deux axes. Camille Kayor, 37 km Kermama Sarpal, 35 km. C'est donc le lieu de remercier encore une fois, au nom du département de Louga, son Excellence, le Président de la République, M. Maxal. Vous êtes deux pistes de production, qui vont sans doute contribuer à la relance de l'économie locale. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Je C'est le président du conseil départemental de Louga, honorable Bérissula. C'est le maire de Kayor, Massal de l'honneur de le de cabinet, Madame, techniques du ministère, Monsieur le secrétaire exécutif du PNDL, le le Mesdames, Messieurs les directeurs, directeurs nationaux, directeur de l'Agence régionale de développement, ARD, Mesdames, Messieurs les directeurs chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est avec un plaisir et un intérêt particulier que je me suis déplacé aujourd'hui avec la délégation qui m'accompagne Initialement, pour lancer le projet PDZP, projet de désenclavement des zones de production en appui au programme national de développement local, PDZP PENDEL Mais finalement, ce lancement s'est transformé par une visite de chantier. Cela démontre, encore une fois, que la méthode fast track tel que voulu par son excellence M. Macky président de la République du Sénégal, est une réalité dans le cadre de la mise en œuvre de cet important projet. Nous sommes ici dans le département de Louga. Je voudrais donc vous remercier vivement d'avoir bien voulu effectuer ce déplacement ce matin. Le PDZ constitue en effet un instrument phare de l'État du Sénégal dans la collectivité territoriale. De par son approche originale découlant d'un montage technique assez particulier, avec une externalisation de la presque totalité de ses activités c'est une pleine responsabilisation des élus locaux dans l'initiation des actions de développement le pdz mise avant tout sur une délégation de pouvoir ah, et de responsabilité aux acteurs territoriaux. C'est véritablement la territorialisation des politiques publiques. Ah, ah, son Excellence le Général président de la République du Sénégal, depuis son avènement à la magistrature suprême dans notre pays, ne cesse de poser des actes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie Nous le savons tous, sa préoccupation essentielle, c'est l'équité territoriale. C'est la raison pour laquelle il a mis en œuvre d'importants projets et programmes. Nous pouvons citer, entre autres, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, qui est en train de réaliser énormément de pistes sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les zones rurales. Eh bien, le PDZP, c'est une territorialisation. En effet, ce les politiques territoriales qui réalisent elles-mêmes leur piste avec un financement de l'État du Sénégal et l'encadrement rapproché du PNDL. Nous savons également que le président Macky dans la déclinaison du plan Sénégal émergent, PSE, avec ses trois axes, rappelons-le, l'axe 1, la transformation structurelle de l'économie dans une croissance, l'axe 2, le capital humain, la protection sociale, le développement durable, et enfin l'axe 3, la gouvernance des institutions, la paix et la sécurité. Une des déclinaisons du PSE, c'est évidemment l'acte 3 de la décentralisation. A ce niveau, le chef de l'État, son excellence M. Matissa, nous invite à une telle priorisation des politiques à travers une recherche d'une plus grande cohérence territoriale, une visibilité des échanges de gouvernance et des mécanismes budgétaires appropriés et adapté au profil des collectivités territoriales fortes et durables. Cela là également le jugement à partir duquel s'appuie le PDZP pour dérouler ses activités. Ce projet valorise les résultats de l'acte de la décentralisation, mais également dans le contexte où nous sommes, contexte de pandémie à la COVID-19 et eh bien, participe aussi à l'atteinte des objectifs du programme d'action prioritaire parce que là, il cristallise son action autour des orientations majeures de la pratique nationale des transports durables. Lorsque nous avons parcouru ces 18-19 km, nous nous sommes rendus compte que effectivement ce projet est extrêmement important pour les populations. Nous avons traversé Kamen Kayo, Dagatolel, chidé Ganado, Tordi, et cette piste va jusqu'à Samdiabal. Nous avons rencontré des populations qui se sont exprimées spontanément, qui ont remercié vivement son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, en disant que depuis que ces villages existent, c'est la première fois qu'une piste soit réalisée leur permettant effectivement leur désenclavement. Ce qui est extrêmement important par rapport aux politiques mises en œuvre par le président Macky Sall. Madame la Monsieur le préfet de de Koki, voir monsieur le maire de Kamen, le maire de la a mon Samia Bak. ñun ñëpp ñu teew fii ak Samak ak Assane Top di leen wax ni am nañu mbégte délégation bi ma àndal tey li taxoon ñu ñëw mooy lancer projet bi bu am solo la wante dafa mujj transformé wu visite de chantier xam nga biir nag boo oh, ñëw di ko lancer fekk ñoom sore nañ ci liggéey bi loolu dafa méngoog li président Macky Sall bëgg maanaam nañu baral loxo yi eh, nañu baral liggéey bi. loolu moo tax ba ci turam tey jii suñu président Macky Sall ñu ñëw li ñu gis nag dal na suñu xel ndax gis nañu liggéey bi tàmbale na tàmbale na ci Thiamène Kayor jëm Sam Yabal te gis nañ ni ëpp na fanweeri kilomètre distance bi wante déjà fukki kilomètre ak juróom-ñeent déjà defar représenté fi projet bi ñu koy wax euh, monsieur Diagne monsieur Diagne gis nga visite ministre bi ban lecture nga ci def ak ban message nga mën a sànni mbokk yi nga xam ne ñooy commune bu Thiamène ak bu Sam Yabal. waaw xanaa di am mbégte rek vraiment comme que ñun ñoo fi teewal projet bi si fii fii biir Thiamène euh, te yàlla def na ni boobu léegi ñu ngi liggéey ak waa Thiamène donc dañoo ñëw nañu bi ñu ñëwee Thiamène dañoo boole seen bopp donc lépp luy mbébétu Thiamène lépp luy bëgg-bëgg Thiamène ñun aussi. day nekk li nga xamante ni mooy suñu bëgg-bëgg donc euh, ñëw ministre bi doon li nga xamante ni moom la waa Thiam ñëpp doon xaar donc duñ def aussi lu dul di ko rafetlu te aussi euh, comme ni ñu ko déggandoo ñun ñëpp rek ministre bi def na aussi discours bu bu bu am solo euh, si cadre piste bi ñu doon lancement wu piste travaux de piste yi ñu doon bi ñu doon def bi jógee Thiamène jëm jëm Sam Yabal waaw donc di ko rafetlu di ko rafetlu vraiment mu nekk lu am solo aussi si biir dëkk bi parce que purpose bi comme niñ ko waxee rek dina permettre dem beeg dikk bi gën a yomb voilà donc zone Thiamène aussi bokkoon na si zone yi xamante ni zone yi gën enclavé ci la bokk donc construction piste bi dina permettre euh, dem beeg dikk bi gën a yomb accès aussi aux services sociaux de base yi gën a gën a gën a gën a facile si population bi bu ko defee voilà population bi gën a am marché euh, voilà dégg nañ ci ñu ci toujours jeunesse bi emploi des jeunes mën na créer ak euh, les femmes est-ce que mën nga ci dikkaat rek ci lu gàtt. voilà projet mooy chaîne de valeur bi. voilà justement parce que projet PDZP c'est le projet de désenclavement des zones de production désenclavement boo ko déggee euh, bokk na ci euh, construire des pistes. dëkk bi gën a yaatu dem beeg dikk bi gën a yomb mais aussi si biir construction des pistes boobu noonu dafa am yeneen activités yoo xamante ni moom mooy accompagner construction yi muy activité yu jëm ci côté euh, càmm gi ak ci côté mbay mi maanaam ci domaine économique euh, du point de vue général du côté euh, du point de vue général donc ci loolu ñu amoon ay ay ay ay activités yu ñu doon amal ci biir càmmen ci ko ci ci ci di tànn ay groupement ak ay organismes yi nga xamante ni organiser wu nañu te di yëngatu ci côté mbay mi ak cham gi comme nima ko waxee ñu tan ci ñen ñi nga xamanteni parce que mënu ñu tan ñëpp comme projet bi day door door euh te ñom suñu sen bu ñuy liggéey dañuy liggé sur la base des résultats donc mënu ñu jëlandoo ñëpp parce que bu ñu wé ñëpp après duñ xam yan résultat lañ ci am donc day baax ñu def ben échantillonnage jël euh quelques groupements accompagner len pour xol yeen résultat lañ ci am bu affaire yi favorable bu ko défé ñu gën ko mëna yaatal donc ci biir groupement yooyu nu jël euh, ñu tegoon ci ay critères de choix si yu ñu doon basé wu pour def tànneef bi maanaam pour def tànn bi euh, ci critères yooyu noonu bokk na ci euh, groupement yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci village yu xaw a jege piste bi voilà donc ci village yooyu noonu ñu tànnoon ci lu mat cinq cinq cinq cinq groupement yi nga xamante ni jege nañu jege nañu pist bi donc ñooñu la ñuy tàmbali accompagner bu ko defee euh, ñuy xaar ñu ni ñuy euh, voilà bu ko defee après au fur et à mesure ñu gën a élargir mbir mi je pense que noonu la noonu la demee. Euh, Amdi Ndiaye nga xam ne benn question bi jëm na gis nañ piste bi mais man damay généraliser dañu gis PNDL feeñ ci te ñu gis ne collectivité territoriale yi moom seen liggéey yëpp dafa tënku ci PNDL PNDL leneen lan la la la tënkaat encore loo xam ne askan war nañ ko xam lu bokkut ak piste bi. waaw euh, jërëjëf monsieur Ba euh, jox nga ma tey opportunité ma présenter la également sama euh, naataango bi di Cheikh Ahmed Bamba Diagne mu ñëw fii dans le cadre de ce projet balaa may tontu ci sa bi mais aussi nekk ko nga xamante c'est un animateur en développement. Euh, mu aussi vraiment di def tous les voies et moyens pour mëna wax ak les acteurs euh, yi nekk ci dëkk bi euh, en l'occurrence les jeunes bien que début bi xëy il y a quelque chose à parfaire mais les femmes plus précisément ba am nañ ay jéego ñu def ba mettre nañ en place ay appui buñ diggé ci PNDL nak bon programme bu fi yàgg la mais euh, mais cette fois-ci avec euh, l'approche euh, de dafa gagner euh, à amaat vision parce que des enclaves jeunes de production peut-être plus leur vocation mais d'un tiers les chaînes de valeur avec l'appui des activités au niveau en tout cas des villages les plus reculés fexe ba ñun fekk sur place ñu am ay moyens pour def dara ñu ñu ñu ñu ñu appuyer leen euh, parce que aussi euh, ñëpp xam nañ ne village yi tooguñu rek croiser les bras koo si gis am na lu muy def mais appui la amul mais appui boobu nag moom lañ commencé di mettre en kii maintenant aussi def link bi aussi pour fañ dëkkoon ni mu soree ñu fexe ba yoon dugg fa euh, fexe ba ñu nous a écouler seen marchandise wala seen ay produits yooyu moom mooy de façon globale loolu moom mooy approche bi nga xamante ni moom la PDG de Paix ñun personnellement comme ni nga ko en dehors de tout cela il y a une capacitation personnellement mënoo ma formé à trois reprises ci wàllu gestion des marchés à savoir euh, les types euh, de prestations forme nañu également sur la normalisation forme nañu ci les mesures liées en l'environnement te yooyu yëpp pour nga doon ko kii foog nga am xaalis nga génnee xaalis dem fay pour nga am yooyu yooyu capacitation mais bon dès l'instant forme nañ ci en tant que agent public euh, c'est une grande opportunité pour ma pour ma waxaale ko si donc monsieur Ba loolu daal de façon romancée euh, di leen sant bu baax na yéen itam parce que yu bëri yoo xamante ne nit ñi xamuñu ko woon euh, m mi ngi permettre nit pour ñu koy xam. te loolu vraiment c'est un c'est un élan di leen sant bu baax voilà di leen sant di leen gërëm di rafetlu vraiment interview bi di di santit vraiment Média TV yi ci taxawaay bi muy def di couvert di def ay couverture Yo xamni vraiment ñëpp dinañ jot ci information bo xam vraiment am na fi tay di rafetlu li ngay wax parce que comme c'est la première fois depuis 2009 tey la ñu mës a am waxuma sax 2009 mais ministre ñëw fi di fi def benn lancement projet bu ci toll ci ay milliards vraiment loolu lu rëy la impact la ci population bi ñaareel bi aussi nit ñi dañ ci gis seen bopp waneen kat président de la république fàttewul fi xëy na aussi euh, euh, xalam ko dajul fépp waaye nag am naa yaakaar ne fa dégg tey ak it vraiment intervention bi nga xam ne ministre bi sax def na ko euh, ci discours am ak le président conseil départemental ne le <clears throat> ab taawam la xam nga ab taaw nag vraiment warul kon ñun commencé président de la république mais nañ ko et puis nañ vraiment intervention parce que li mu wax la euh, commencé. te gis naa ne yàlla mën nañoo jàppale ba it euh, askan wi aussi gis nañ ci seen bopp beneen bi wax naa ko ne naa ko aussi euh, tali bi nga xam ne moom la waa Ageroute di defar nañ ci jël emploi signé ko ak waa euh, Fra bu ko defee bu boobaa aussi dana am ñoo xam ne dañ ci gis seen bopp parce que ñi ngee sax cinquante non soixante mille wala soixante cinq mille lañ leen di fay day am ay chauffeur day am ay pointeur day am ay surveillant donc loolu bu boobaa yaakaar naa nañ ci gis suñu bopp ak leneen ak leneen jigéen ñi aussi gis nañ seen bopp parce que tey euh, ci ki nga xam ne tey mooy point vocal bi fi nekk muy jaañ vraiment lëkkaloo ak commune bi ñu boole ko ak man gis nañ ni boo yaatal nañ ba boo xoolee sax ci suñu biir kenn du ne dañoo jël kii bàyyi kële surtout nag ñu jege rek euh, rana pour ñu gis seen bopp kenn vraiment am na impact bu ko defee vraiment loolu daal laa doon xalaat pour wax la ko. wone ne vraiment content na ci discours bi te it yalla ñu yalla jàppale te it lañ ko wax dégg na ndax commune bo xam bi moy sa taw tay ci tay ñepp exemple la waron don ci caamen ba tax na ñu bëri sa di dal suñ ko wala ñu wut leneen te it lolu bu ko defee du ñun parce que fiñu mëna égg lañu yëm yem mais la ci des nak état moko mëna défar defar ci di bind dañu ci di wax dañu ci euh, di di di di di di ko jàllale kon donc laa loolu euh, monsieur Bamba loolu laal doon kii ci côté boobu. bi ñu demee bay def lancement bi ñu ne intercommunalité la maa ngi meeru Sam yabal dañuy waxtaan bi ñuy waxtaanee ARD ba ku ci nekk bañ a moom lancement bi ah, non euh, appel d'offre bi biñ ñëwee ma ne ko sëñ bi sëriñ nga te kilifa nga ci réew mi. Euh, ma porte ko wala nga porte ko c'est la même chose mu ne woon non porté ko ma ne ko nag comme yaa ma ko njëkk wax porté tuma ko nañ defal def appel d'offre bi fële recette ba nga xam ne bi mooy dugg ci commune am presque mooy commune bi bi ñu defee appel d'offre bi aussi lancement bi ñu demee bu koy programmer pour def ko aussi moom it rafetlu na ñu def fii lancement bi euh, ak cérémonie euh, bi nga xam ne moom lañ fi war a def moom mu nangul ma loolu comme la ma ko nanguloon kon donc échange la mooy wala ne ñi war a ànd rek ñoo war a ànd te it njëriñ la ci moom njëriñ la ci man beneen bi aussi Coumba Ndiaye euh, euh, ki nga xam ne tey moom mooy euh, maire boo xam ne vraiment moo remplacé ndéem si yàlla Pape Diop di sama partenaire vraiment taxawaayam rafet na parce que lii mooy wane ne ànd rek mooy dëgg maire Coumba kii Ndiaye nu mu tuuti Penda conseil yi nga xam ne tey ñoo bokk nekk ak mes chefs du ak notable ak jeunesse bi surtout parce que seen taxawaay gis naa ko affaire bi ba tax na vraiment ñëpp couche bu nekk teew nga fi sëriñ si teew ne euh, chef du village teew ne euh, ñëpp amul kenn ku manqué loolu day war ne vraiment impact bi nga xam ne bii lii am na ko caameen te it wax nañ ne danañ ko ñuulal ba mu génn caameen ñun bu ñu sañee sax dañ koy ñuulal ba mu àgg saam yabal boobu aussi waxtaan la boo xam ne dañ ko def pour xool beneen bi am na aussi cinquante millions yoo xam ne ñi dañ ne dañ ñuy jàppale pour ñu defal benn daral fora beneen bi magasin stockage ak transformation laitière donc loolu wane ne vraiment mesure d' accompagnement yu ci àndee. jeunesse bi aussi gis seen liggéey seen euh, liggéey bi seen seen wàll ci bu fi raana bi jaar bu fi tël bi jaaree. ñu ma leen a jël. yaakaar naa loolu dana nekk loo xam ne vraiment lu rafet la te ñu ngi koy rafetlu. ñu ngi leen di sant di leen gërëm au